les étudiants ñi nga bénéficiaires poursuivis. les femmes yi nga xam parce qu'il y a 60 femmes les 20 dañu def formation céréales locales les 20 des formations en haut eau de il y a une def formation en voilà une transformation céréalière. Je am a 100 femmes qui ont ne dañu def formation en horticulture et c'est par là que je remercie le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural à travers son directeur le directeur de l'horticulture représenté ici par une dame madame Watt, née Penda donc di wax ne loolu dafa doon de xam depuis des années on a travaillé à accompagner les femmes qui ait financement qui jeunes qui ni jamais nga xamanteni ñoy le capital humain. di gërëm bu baax les artisans tout à l'heure mon ami Niang wax nako ñom amul lo xamanteni ni tay tey mën nga politique politicienne la parce que pour les valises diagnostiques damay leeral rek ci ñi nga xamné ñom ñoy mécaniciens parce que valise diagnostique, c'est deux groupes de 20. Et nous avons des formations. Nous allons utiliser la valise. La formation débute le jeudi prochain pour les 20 groupes, 20, groupes de 20. Pour qu'à la fin de la formation de 5 jours, nous remettions les valise diagnostique. Les kits coiffure 15. Les taillis, nous remettre ñi nga xam ne les machines de couture c'est 10. wax nañ ko léegi dinañu ko remettre les postes de soudure ñaar la pour deux groupes de menuisiers métalliques dinañu ko remettre aussi pour les cordonniers c'est deux machines fekki peut-être machine boo xam ne wutaloon nañ leen ko bu yàgg loolu pour les accompagner donc ñooñu ñoom laa mujje ndax ñooy sama njaboot ci la bokk parce que sama bàyyi ngi nii ku ne xam na cordonniers. la mbaw aar lañ daan woowe donc le Seigneur ne l'a pas fait et nous Dieu a fait qu'au moment où on allait à l'école notre cher papa était à Abidjan et de la sueur de son front travaillait pour faire vivre ses enfants et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir un papa comme El Malikmo qui nous a accompagnés, qui nous a aidés, mais aussi à côté de ses épouses. L'une est notre cousine pratiquement, dañu ko sarax pas bi mais keneen ki moom muy suñu yaay su koy sekk te man ku ne xam na ne yaay peut-être ñoom Mansour ak qui kii man le ne donc na ne sama yaay donc dafa am parce que c'est un exemple pour la jeunesse parce que je dis tout le temps, moi quand j'étais étudiant, les week-ends, j'allais à l'atelier de mon papa, Debar Aïdal, de Kokoloban, dans le campus social. Donc je voudrais juste dire à l'endroit de toutes les populations que nous sommes aujourd'hui satisfaits de cette mobilisation. Nous sommes satisfaits de l'accompagnement des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on sait Nous En offrant pour bourses vous avez fini de convaincre les plus sceptiques et les plus nihilistes en leur montrant que c'est possible. Ainsi, vous contribuez positivement à soulager des centaines de jeunes en quête d'informations de qualité et qui n'ont pas les moyens, qui en bénéficieront gratuitement. Nous tenons à cet effet à vous exprimer notre profonde gratitude pour ce geste trop hautement apprécié en faveur de la jeunesse de Thiès. Honorable Serpent Abdoumbaou, vous avez eu le courage et la générosité à un certain moment de dire que Thiès a le besoin de choisir son paradigme. Et ce paradigme, nous devons le mettre en place avec un partenariat large avec les jeunes, les femmes et les professionnels. Mais nous devons le conduire avec notre propre vision. Et je pense que c'est ce genre de leadership qu'il faut promouvoir et qui fait que nous sommes aujourd'hui ici. C'est dans cette logique que s'inscrivent toutes vos actions. Ainsi, vous nous avez donné des bourses de formation dans des filières différentes et diversifiées qui répondent à la demande et aux soucis d'emploi et d'expertise de l'heure. Et comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, dans son discours à la nation de fin d'année, je cite, il nous faut davantage promouvoir l'apprentissage au métier par une formation professionnelle et technique qui prépare mieux à l'emploi et à l'autre emploi Donc, chers camarades, donc, chers camarades, nous devons saisir cette opportunité qui se manifestera par notre exemple l'église, mais aussi bien étudier, de bien étudier, de majorer dans nos développements respectifs et de cultiver en nous le culte de l'excellence et du mérite. Honorable député Abdoumbaou, cher parrain, par ma voix, la résidence de vous dit un grand merci. Merci pour avoir pensé à la jeunesse. Merci pour avoir pensé à ces familles qui n'ont pas les moyens de payer, de payer une formation pour leurs enfants. Merci de nous avoir donné une chance de réussir et de réaliser nos rêves. Parce ce texte, vous vous êtes rendu éternel et la jeunesse de Thiès vous sera reconnaissante pour toujours. Monsieur honorable député Abdou Mbow nga tout ce tout seen qui Thiès surtout à travers les femmes monsieur euh, l'honorable Abdou depuis depuis en 2012 ba joxe jox financement des femmes 10 millions Nous avons école 40 femmes depuis 2012 à nos jours alimentation à nos des quartiers là, là Mont-Marleau, Bagdad Silman Thiès Azur Darussalam. Salam une classe de classe une salle de classe à Cœur mont de 2012 à 2018 joxe avons 27 démarques. la réception de 6 grandes mosquées jàmb gën Angle lawbe imam Diaw Ersan Ablaye un Diop Malamine Senghor Nous avons 5 chauffeurs ak 6 receveurs du Dakar Dem Dikk accompagné les ASC de la commune de Thiès ay matériel ak financement 52 postes UGE Nous honorable Abdoumou, nous avons eu ñu fait. ndax vraiment Nous avons eu des financements, jox ay financement ba par financement doyul danga ne sama femme il faut que mu tëree outil de travail ndax may nit lu mu may nit jën danga ko ñu ko nappee ko te mu honorable député danga ñoo boole le ministre la formation mu jàngal ñu ñuy nappee kon ñu lay remercier am ñu sa paie ñun nag ñun yéen femmes yéen lay waxal les femmes de Thiès les femmes de de la commune Est les femmes de Abdou Mbow ñun am ngeen amoon loolu naa Abdou jukkal ndax Abdou Mbow gudd bëccëg

kóllëre Abdou Mbow ku gis ni mu waxe léegi nga xam ni Thiès moo ko tax a jóg population cees moo ko tax a jóg jeunes yi ñoo ko tax a jóg